nous Simon Kouka par exemple il a cherché à avoir un permis de visite pour dem pour ko ñu le coco. donc sénégalais yu bëri nangu ñu pour que nous manifestions notre manifester ko soutien donc demain allons appeler tous les citoyens nous allons seeti gi Marius Sagna dem pour euh, pour ñu renforcer le combat bi mu pour le peuple sénégalais le patriote qu'il est que demain inchallah vendredi que nous dem tribunal dem outil ay permis pour dem seeti Guy Marius mm-hmm. première chose deuxième chose moi proximité fallu faut wax ça va se poursuivre flyers fep ça va se poursuivre après hier mercredi samedi inchallah nous dem tambalé marché samedi au front de terre ñëw rond-point liberté 6 dem marché Grand Yoff mm-hmm. L'année, li fàllu annoncé moi... Euh, manifestation bu mag bu euh, collectif citoyen de lànk démembrement bu Rufisque di organiser suba di ci di ci sénégalais nous ñun tamit coordination nationale bi euh, dinañ ci dinañ ci donc permis de visite 9h lañ koy au tribunal que les sénégalais bu bëgg soutenir Guy Marius Sagna manifester ko soutien ci biñ koy ba prison bi suba na un peu de son temps à partir de 9 h dem tribunal comme ni koko yone maye mu dem permis de visite pour que mu dem C'est lolu moy information bi l'autre chose moy wax nañ ko dinañu di dem rencontrer nit mais notamment chefs religieux voilà que ce soit l'église ak euh, lepp luy euh, nu mu avons planifié euh, généraux yi ñu ngi planifier agenda pour dem seeti dinañ len ci informer l'autre chose nak pour boucler la boucle euh, la grande annonce moi, manifestation nationale bi amal le vendredi 31 janvier prochain ci Sénégal fait dinañu am ay mobilisation ci diaspora bi amal mais ci Dakar fi Inshallah à partir de 15 h vendredi 31 janvier dinañu tambali buntu université Cheikh Anta de Dakar moy fi à Jérémy post Médina medina inshallah amul fenn ci Sénégal fu sénégalais mënul dem pour distribuer flyers. peut-être qu'un jour il y a un plan d'action parce que par zone les nous def peut-être que zone présidence bi dina bokk ci zone qui nga en ni ci ay bés yu ñëw dina pourquoi pas mais qui a suscité tout le débat d'ailleurs ñoom Marius Sagna en sénégalais <laughs> ils ont voulu pacifiquement marcher devant les grilles du palais pour euh, pour pour pour yeggee peuple bi di sur cette hausse là et c'est pas exclure hein. je pense qu'il faut dire que nous avons dem ba présidence pour faire des flyers flyers parce que ay sénégalais ñoo fa nekk biir président Si vous êtes peut-être président Macky Sall mais il y a beaucoup de sénégalais qui travaillent à la présidence peut-être qu'il faut aller à leur rencontre donc euh, c'est pas exclu on n'a pas de sens interdit mënuñu nekk ci réew di am sens interdit ci suñu biir réew loolu mënul nekk donc, euh, c'est pas exclu. Majorité, je pense qu'à travers la rencontre, nous rencontré déjà Maître Aline Badara Sissé. Je comprends l'esprit de la question. Parce que n'oubliez pas que Maître Aline Badara Sissé, avant tout, il est de la paire. Nous non, non, non, il est de la paire, il ne faut pas y aller. Mais nous, nous sommes collectif citoyen, nous sommes opposition politique. On n'est pas là pour combattre Macky Sall ou Daniel Ngour ou c'est une revendication citoyenne. Donc on ne se fait pas, on est allé voir euh, Alun Badara il est de la paix, mais en même temps médiateur de la République. Donc l'on doit prouvé juste une, ouverture hein, sur cette question-là, de, montrer une ouverture. Et l'autre chose maintenant, au, qui, majorité bi, aujourd'hui on sait le pays dans lequel nous sommes, malheureusement, euh, majorité bi, majorité ou Macky Sall là, avec Andal. Euh, Macky Sall président de la République du Sénégal sénégalais ñom lañu fal pour que muy régler les problèmes et principalement problème yokuté bi gouvernement am lañ interpellé donc euh, c'est ça la réponse à cette question là. donc chef religieux avant de donner la parole à à notre camarade Ben wa annoncé nañ ko wax euh, on a fait ce qu'il faut pour évêque et puis on est en train aussi de finaliser euh, Yenen pour euh, les califs généraux Inch'Allah, euh, on annoncera officiellement les dates de l'Union leen mais nous sommes